Assurez que le Sénégal Jana tukaru basono manga jangale gita dobu je do fay wer Nga élève te tollu ci examen li de soxla am na fita mu Chers élèves donc du Sénégal et moi vous encore en face de vous pour, donc, pour vous parler mais aujourd'hui d'un chapitre qui traite de la physique atomique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la physique atomique avec un chapitre ce chapitre-là est l'avant-dernier chapitre du programme de fusée. Ce chapitre-là s'intitule Niveau d'énergie de l'atome. Donc, P14, niveau d'énergie de l'atome. Donc, ce chapitre-là va parler de la physique atomique. Donc nous allons nous intéresser aujourd'hui de l'atome. On va voir que l'atome se présente sous plusieurs niveaux d'énergie. Mais avant de parler du niveau d'énergie, on va se rappeler, on va donc voir la notion d'atome. On va s'intéresser d'abord à l'atome avant de voir ses différents niveaux d'énergie. Donc, grande notion d'atome. Donc, dans ce grand, dans ce grand on va parler des unités de l'atome. Donc, l'atome a son histoire. Donc, on va donc parler de l'historique de l'atome. L'atome a son histoire. Quelle est l'histoire On va donc s'intéresser à l'historique de l'atome. Petit 1, donc, historique de l'atome. Historique. Historique de l'atome. Donc depuis l'Antiquité, les, philosophes grecs se sont intéressés à la matière, à la matière. Il faut savoir que l'objet d'étude des sciences physiques, c'est la matière. Les sciences étudient la matière et ses propriétés. D'accord Donc, c'est quoi la matière Donc, depuis l'Antiquité, avant même la naissance de Jésus-Christ, les savants grecs un, se sont intéressés à la matière, avec à leur tête un grand philosophe du nom de Démocrite. Démocrite était un savant grec. Il y a certains même qui disent que le nom de démocratie vient de Démocrite. c'est un savant que l'humanité, un des premiers savants que l'humanité a connu. Donc c'est un grec. Lui et ses acolytes, ses pères, se sont intéressés à l'atome ils ont dit que l'atome est constitué, excusez, ils ont dit, ils ont dit que la matière est constituée de particules très petites qu'on appelle atomes. Atomes. La matière, c'est quoi la matière La matière est toute substance pesable. Tout ce que nous pouvons peser est considéré de matière. Donc ce monstre de terre-là est considéré de matière. L'eau que nous buvons est considérée matière. Les habits que nous portons sont considérés matière. Les médicaments, tout est matière. Tout ce qui, toute substance qui a une masse est composée de matière. Et les, euh, les savants grecs se sont intéressés à la matière. Ils se sont dit que la matière est constituée d'un ensemble de particules très petites qu'on appelle atomes. Et le mot atome vient du mot grec qui veut dire atomos. Atome vient d'un mot grec qui veut dire atomos. Et dans le langage grec, le mot atomos veut dire une chose qui est indivisible, qu'on ne peut pas, qui est insécable, qu'on ne peut pas diviser. Donc, ce morceau de terre est constitué de matière. Il est constitué d'un ensemble d'atomes. C'est quoi l'atome C'est l'ultime partie de la matière qui peut, qui peut exister sans perdre les propriétés de, la matière, de ce morceau de terre. Regardez, ce morceau de terre si je la casse, j'ai de la craie. Si je continue à casser, j'ai de la craie. Il arrivera un moment où, si je casse, j'aurai autre chose que de la craie. Donc, cette ultime partie-là qui existe et qui possède les propriétés de la craie, c'est ça qu'on appelle atome de craie. Donc, l'atome est une ultime partie. L'atome est une ultime partie. Donc, depuis l'Antiquité, les gens ont cru que la matière est constituée d'une particule, particule, très petite qu'on appelle atome. Ce n'est que récemment au XXe siècle, ce n'est que récemment au XXe siècle que les physiciens ont trouvé plus petit que l'atome. Donc il y a des physiciens du nom de Ernest Rutherford, Ernest Rutherford, Jean Perrin, Jean Perrin, Joseph Thompson et d'autres ont montré que l'atome n'était pas l'ultime partie. Il existe, il existe d'autres particules plus petites que l'atome qu'on appelait électron. Électron. Cela veut dire quoi Cela veut dire que la représentation de l'atome comme particule indivisible fut abandonnée avec les découvertes d'Ernest Ford, de Jean Perrin et de Joseph Thomson. Il y a même un physicien du nom de Crookes qui a montré que l'atome pouvait émettre des particules plus petites qu'on appelait électrons. Donc, voici, chers élèves, grosso modo, l'histoire de l'atome. C'est l'ultime partie d'une matière. Donc, depuis l'Antiquité, des philosophes grecs se sont intéressés à l'atome, à la matière. Ils sont dit que la matière est toute substance pesable. La matière est constituée d'un ensemble de particules très petites qu'on appelle atomes. depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, les gens ont cru que l'atome est l'ultime partie de la matière. Ce n'est qu'au XXe siècle que la représentation de l'atome comme particule indivisible fut abandonnée avec les travaux d'Ernest Stelford, de Jean Perrin et de Joseph Thomson. Les travaux de Cooks ont montré que l'atome pouvait émettre des particules très petites qu'on appelle électrons. Par exemple, je vais essayer de vous montrer. C'est comme vous, on demande à un élève de CI quelle est la pièce la plus petite qui puisse exister. Naturellement, il va dire 5 francs. Arrivé en un cas de CM2, il trouve la pièce d'un franc. Il s'émerveille en disant c'est quoi On lui dit que cette pièce-là, euh, donc si vous avez 5 pièces de cette de ces 1 franc là, vous avez l'équivalent de 5 francs. Donc aussi, on peut assimiler la pièce de 5 francs à l'atome et la pièce d'un franc à l'électron. C'est comme ça qu'il faut comprendre. D'accord Coran, hein? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Les gens qui sont nés de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle pensent que l'atome est la l'ultime partie. Même dans le Coran, si on veut caricaturer quelque chose de très petit, on parle d'atome. On parle d'atome. Parce que à l'époque du prophète Mohammed, on n'avait pas encore découvert l'électron. On pensait que l'ultime partie de la matière, c'était l'atome. Dans le Coran, on ne parle pas d'atome. Si on veut parler d'une chose plus petite, on parle d'atome. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'on a découvert l'électron. Donc c'est récent. Donc c'est ça l'histoire de l'atome. D'accord hein? Maintenant, hein, ces élèves est quelque chose de très petit. D'accord Il est invisible. Il est plus petit que les microbes, plus petit que les bactéries, plus petit que les virus on peut voir les bactéries et les vis à l'aide de microscopes sophistiqués, électroniques. Mais ces microscopes électroniques ne permettent pas de voir l'atome. L'atome, il est extrêmement petit. Il est du domaine des microscopique, plus petit que les microbes. Mais comme ça existe, les physiciens ont donné leur conception. Chacun pense comment est l'atome. Donc pour cela, on va voir, donc chaque groupe de physiciens donne son modèle. Maintenant, on va s'intéresser à un petit 2, le modèle atomique. Petit 2, modèle atomique. Modèle atomique. Donc ici, il faut, il faut comprendre ici conception de l'atome. Comme l'atome est invisible, on ne peut pas le voir, mais il existe chaque groupe de physiciens donne sa conception, son, son imagination de l'atome, donc son modèle. Et le premier d'entre eux, c'est Ernest Rutherford. Donc on va voir d'abord le modèle de Rutherford. Petit a, le modèle de Rutherford. Jana tukero basona manga jangale gita dobuje do faiwa Nga elef tatolo chi exam linga sala am da fita mugena Asure kolo